d'abord di di vraiment content si Dak Medina, parce que Dak Medina impact bi euh, on avait on avait ce mal à la Médina information c'est la clé de la réussite et vous avez vraiment innové sur ça pour pour nous normalement dans une nouvelle a sur budgétisation Médina parce que vous subventionnez ce n'est que votre droit donc euh, merci beaucoup à vous pour le travail que vous faites et Inch'Allah, allah waa Santhiou mobiliser Inch'Allah. d'habitude du ñuy def dara vendredi mais vendredi bon moom ñun mobiliser, dinañ et j'espère aussi que je peux parler au nom de tous les présents, xam naa ne mobiliser, ñëpp dinañ ñëw jàpp Nous allons allah ñëpp ñëw TLFS. kon di jox rendez-vous le 10 décembre Inch'Allah, nous vendredi à 16h na ñëpp télé a ñëw nous na ñëpp ñëpp ñëw parce que Dag Médina mënuñu leen fay mais au moins ñu avons leen suñu appréciation donc maintenant bu kenn des incha